Ce samedi 30 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 1370 tests réalisés, 106 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 7,73%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 94 cas contacts suivis par nos services, 12 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Parcelle Asseni, 2 cas communautaires, Cambérène, 2 cas communautaires, Koloban, un cas communautaire. Liberté 3, un cas communautaire. Guédiawaye, un cas communautaire. Anne Belair, un cas communautaire. Norfoire, un cas communautaire. Sikap Amitié, un cas communautaire. Kungel, dans la région de Kafrine, un cas communautaire. Et Touba, un cas communautaire. 23 patients sont déclarés guéris ce jour. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de nos hôpitaux. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 3 535 cas ont été déclarés positifs, dont 1761 guéris, 42 décédés donc 1331 sous traitement actuellement. Comme vous l'avez remarqué, sur les, sur les 106 cas confirmés aujourd'hui, les 84 sont de la région de Dakar. Sur les 12 cas communautaires de ce jour, 10 sont aussi de la région de Dakar. C'est cette tendance qui s'est manifestée depuis plusieurs semaines. Force est donc de constater que la région de Dakar constitue l'épicentre de l'épidémie au Sénégal. En effet, trois quarts des cas confirmés de COVID-19 sont issus de la région de Dakar. À la date du 29 mai 2020, la région de Dakar totalise 2525 cas sur les 3429 dépistés dans notre pays, soit un taux de 73,6%. À ce niveau, il faut noter que la transmission locale est clairement établie et se traduit par une augmentation des cas issus de la transmission communautaire, mais aussi des décès communautaires. Cela passe par un renforcement de nos stratégies à l'échelle locale et particulièrement dans la région de Dakar. Ce renforcement stratégique devient un impératif urgent. C'est pourquoi j'ai demandé au Comité national de gestion des épidémies, en rapport avec le Comité régional de gestion des épidémies de Dakar, de se réunir, toute affaire cessante, pour nous proposer une stratégie spécifique de renforcement de la démarche de lutte dans la région de Dakar. Mesdames, Messieurs, pour vaincre le Covid-19 au Sénégal, nous devons nous mobiliser au sein de nos communautés pour vaincre le Covid-19. Mais je lance un appel particulier et insistant à toutes les dynamiques communautaires de la région de Dakar pour se lever comme un seul homme pour stopper la COVID-19 parce que si on perd la main à Dakar, la lutte risque d'être perdue au niveau du pays. Le CNGE et le CRGE doivent nous proposer dès mardi la démarche à accentuer pour notre lutte dans la région de Dakar. Je vous remercie situation bi ñu am ci bésu tay bi tay samedi fanweeri fan ci weeru mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jotna na résultat ou test yi ñu doon def ci jouné ak ñetti témèr ak juroom ñaar fukki test yi ñu def tay témèr ak juróom benn ñoo ci positif 94 bon juróom-ñeent fukk ak ñoo nekk ay cas fukk ak ñaar ñoo ci nekk ay cas communautaire ci cas communautaire yooyu ñaar yi Parcelles Assainies lañ nekk ñaar Cambérène ben Koloban, ben Liberté 3 ben Guédiawaye ben Anne Beller, ben Norfoire, ben sikap Amitié ben Kungel, sa région wu Kaffrine Touba Nous avons leen ne ñaar fukki patient ak ñett wér ci

juróom ñaari téeméer ak euh, juróom benn fuk ak benn ñoo ci wër ñeent fuk ak ñaar génn ci aduna djunné ak juróom ñaar téeméer ak fanweer ak benn ñom lañuy ñuy faj tey ci suñu hôpitaux bu ngeen sétlo bu baax situation tay bi ci téeméer ak juróom benn kay ñu am tay juróom ñett fuk yi ak ñent yi ñi ngi ci région de Dakar Si fukk ak ñaari cas communautaire yi ñu am fukk yi ñi ci région de Dakar lim boobu nag xamante li ëpp ci li ñu déclaré Dakar lañ nekk bu ngeen ko seetloo semaine yi passé yépp loolu lañu am loolu day waree ne nag bi fii ci Dakar la gën a nekk jël ñett yi ci Dakar la nekk bon dëkk ñu war a taxaw ci ñetti junni ak euh, ñeenti téeméer ak euh, ñaar fukk ak juróom ñeent kaay yi xamante ne jël nañ ko le ñaari junni yi ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom yi fii ci ndakaar lañ nekk boo ko xaymaa junne bu nekk daal ñaar fukk yu nekk mën nañ wax ne juróom-ñaar fukk yi ak ñett yi Dakar la nekk bo ndëkk mbir mi mooy que ne fii si Ndakaaru dañu war a am taxawaay boo xamante ne taxawaay bu wér la parce que jàngoro bi law na fi bu baax a baax te bu ñu taxawul dana faagagal ñu bëri fii si Dakar moo tax ma wax comité national de gestion des épidémies ñu xamantene ci réew mi yépp ñoom ñoo ñuy xelal ci mbir mi joxe orientation ñu lëkkaloo ak comité régional bi xamantene ne ñoom ñoo yor mbiru Dakar pour euh, nu mu gën a gaawe ñu taxaw xol lan lañu ñu war a mën a taxawaay taxawaay bu gees bu gën a tar pour arrêter feebar bi fii ci Dakar parce que la situation Dakar n'est na situation bu particulière may wax ne nag bu ñu lënkaloo ñun ñëpp boole suñu doole danañu gagné effectivement Covid 19 Mais mais nous ñu caaxaanee Dakar yaakaar naa ne feebar bi mën a taxawee si réew mi noo xamante ne dana faagagal lu bëree bëree bëri may wax ne nañu lënkaloo pour gagné Covid 19 mais fii su Ndakaaru. buñu tiaxaan parce que mi ngi law law boo xamante ne mën na fi faagagal ñu bari asalaamaaleykum wa rahmatullah